qui est le représentant de l'ensemble des leaders de la coalition ici aujourd'hui, le frère Pape Vraiment condamnons nous trop trop trop trop puisque détermination c'est le la tout a si Médina Yoro Foulah maa ngi wax Pape buñ fi fekkee benn nit rek ba xam ne gagné nañ une mobilisation de cette importance et de cette taille ngeen def ko ci journée bi yépp ba minuit passé ngeen toog di ñu xaar franchement franchement nous sommes très émus saluer le maire Amadou du PDS. Euh, vraiment nous le remercions pour la qualité de son accueil. Content nañu bu je pense que le 24 février. premier tour rek yëpp la franchement fii suñu xel dal na fi bu baax a baax waa ji nga xam ni dafa wër Sénégal yëpp def ay conseil ministériel décentralisé nee na digaale fa ay milliards seen yoon bi ci promesse yi la bokkoon vraiment qu'on a tenu à faire le déplacement parce qu'une capitale départementale mérite un meilleur sort structures yi yépp manqué na chômage bi bare na santé bi lijjanti wu ko mbay mi lijjanti wu ko waaw kon nag moom lu fii def je pense daal que li gën mooy mu dem dem yoonam dem ak dem ak importance ci suñu programme Moïli li aju environnement rawatina la revitalisation de nos forêts et leur exploitation optimale au profit des populations richesse ci le secteur privé national nous devons ci aménagement population si nous avons tenu à faire le déplacement c'est pour vous annoncer des engagements solennels à travers le programme spécial de décentralisation à prendre en charge l'ensemble des problèmes d'infrastructure notamment de l'accès aux services sociaux de base, inclut les infrastructures sportives pour la jeunesse parce qu'il est grand temps qu'on exploite le talent sportif de la jeunesse sénégalaise. Et mon ambition est qu'avant de terminer mais deux mandats, Inch'Allah, que nous puissions accueillir au Sénégal notre première victoire en Coupe d'Afrique des Nations et notre progression dans le cadre de la Coupe du Monde.